Bonjour, bonjour, bonjour. Je me présente. Mes parents m'ont nommé Maïssa Mara et depuis ma naissance, personne ne s'ennuie avec moi. Et aujourd'hui, je vous promets que vous allez rire. Je vous promets que les bouches ne seront pas fermées, ni bouchées. Mais avant, je vais d'abord laisser au lauréat prendre place. Et je reviendrai reprendre ma place, je vous le promets. samp leen seen baaraam maa ngi dem te ñëw